Ariya Samido Lowe, Dekin Konjewa Kiwu Rahma Yibu 2022, la école franco-arabe yʋʋr sẽn sabiri dida, mbe sab sãab solmã a daa bãmb leb n la daawat le zĩna zine a aton pa makama tabu, tɩ b na n karme tɩ d kelge bɩ wã n Bila Nous sommes contents de vous recevoir, les parents, les amis. Nous sommes contents de vous recevoir. Merci d'être là. L'envie, l'envie, l'envie à vous, l'envie à nous, L'envie, l'envie, Merci d'être là.